gouvernement se multiplie. Six organisations de la société civile appellent le garde des Sceaux à renoncer à toute tentative de baillonnement des magistrats et invite les citoyens épris de justice à se mobiliser contre toute velléité de musellement de la justice. Mansour Faye enfonce davantage Ousmane Sonko. Le ministre de l'Équité sociale a réagi aux interpellations du leader du PASTEF. Le lieu de l'audience et, le témoin de la rencontre révélé, en plus d'un élément sonore confirmant la tenue de son face à -face avec Sonko. Par ailleurs, Mansour Faye s'est réajusté suite à sa sortie jugée malheureuse concernant l'OFNAC. Le ministre de l'Équité sociale se dit prêt à se soumettre au corps de contrôle de l'État les actualités internationales. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous. En Guinée, Alpha Condé promet des élections pacifiques, promesse faite aux émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et des pays de l'Afrique de l'Ouest en mission de consultation à deux semaines du scrutin présidentiel. En Côte d'Ivoire, Charles Blégoudé appelle à un rassemblement demain samedi. L'ancien ministre souhaite lui aussi le report de la présidentielle euh, du 31 octobre prochain. Et puis aux États-Unis, le président Trump est rattrapé par le Covid-19. Euh, Donald Trump et sa femme Melania ont été testés positifs. Développement à partir de midi et et sport, cher Diagne. De nouvelles têtes enregistrées dans la tanière en vue des prochaines échéances. Aliou Sissé, sélectionneur du Sénégal, s'explique dans cette édition, tout comme Vaï Ali son homologue du Maroc, son prochain adversaire en rencontre amicale. Et puis nous allons nous intéresser aussi à l'équipe nationale féminine de basketball qui se prépare aux éliminatoires de l'Afro-Basket 2021. L'équipe a entamé une séance de regroupement depuis quelques jours. Nous allons tirer un bilan partiel. Ce sera avec Sodekian. En ligne de bas Georges pour bonjour. Georges Diop euh, que nous allons retrouver en ligne de Touba. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Quel sera le menu du journal du Grand Magal Alors, dans le journal, les nouveaux plans de circulation pour ce Grand Magal 2020. Euh, Objectif, faciliter l'entrée et la circulation dans la cité religieuse, plan de circulation mise en place par euh, la gendarmerie et la police. La lutte contre le coronavirus, les gestes barrières sont-ils respectés par les pèlerins Reportage aux abords de la grande mosquée et à la résidence Radimourasoul. à suivre. Aujourd'hui, dernier vendredi, avant le Grand Magal, forte affluence attendu à la grande mosquée de, Touba, les talibés ont à cœur d'y effectuer la prière de Tisbar. Le journal du Grand Magal à suivre en fin d'édition. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Meurtre de l'étudiant Joël Philippe Célestin Ailly. L'enquête avance à grands pas. Un suspect arrêté hier et d'après la police, le jeune homme âgé seulement de 20 ans a avoué avoir participé au crime. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que des traces et autres indices laissant voir qu'il a participé au crime ont été retrouvés sur lui et l'enquête se poursuit pour retrouver son acolyte encore dans la nature selon un communiqué de la police. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, Amnesty International Sénégal, le Forum civil, le Saint-Pix et le mouvement Yanamar, signataires d'une déclaration de soutien au président de l'Union des magistrats du Sénégal. Ils interpellent le ministre de la Justice et appellent les citoyens épris de justice à se mobiliser contre toute tentative de musellement de la justice. Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty Sénégal, au micro de Mohamed Ali Mouba. C'est une procédure injuste c'est une procédure euh, totalement injustifiée. Euh, le n'a fait que rappeler euh, une décision de la Cour de la CDAO dans l'affaire Khalifa Fassal, une affaire qui est déjà passée, qui est, déjà frappée de l'autorité de la chose jugée, donc euh, il n'y a plus aucune possibilité que sa déclaration puisse influencer verdict verdict d'un quelconque procès. Et c'est pour cela que nous estimons que ces poursuites doivent être arrêtées immédiatement arrêter immédiatement. C'est une agression contre la justice, c'est une agression contre la liberté d'opinion et d'expression. Euh, cela ne doit pas prospérer dans un État démocratique. Donc il est temps que l'État, le pouvoir exécutif se résiste, euh, arrête ses poursuites et garantisse l'indépendance des juges qui est évidemment un des piliers essentiels euh, dans un état de droit et dans une démocratie. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. 12h06 minutes, l'audience que j'ai accordée à Ousmane Sonko à sa demande s'est tenue dans les locaux de la délégation générale à la solidarité nationale devant un haut fonctionnaire de l'État, magistrat de fonction. Euh, ce sont les propos de Mansour Faye suite aux interpellations du leader du PASTEF. Le maire de Saint-Louis dit disposer d'un élément sonore qui prouve que l'audience a bien eu lieu. C'est Dounourba. L'audience Mansour Fayousman Sonko a bel et bien eu lieu. C'était en 2014. Le ministre du Développement communautaire a même tenu à préciser le lieu. Et c'était devant un haut fonctionnaire de l'État, de surcroît un magistrat, Mansour Fay. Je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que j'ai dirigée à l'époque. Et cette délégation est à la rue chat, Et ce, devant aux hauts fonctionnaires de l'État et magistrats de profession. Pour le moment, je fais abstraction de l'objet de cette rencontre, tout en lui laissant volontiers le soin d'apprécier de l'opportunité d'en divulguer la teneur. Massour Faye défie Ousmane Sonko, devenu aussitôt son adversaire politique, un élément sonore qui confirme l'audience est disponible. À l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de lui, venant de M. Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience, existe et je lui laisse la prérogative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais comme m'oblige la loi. J'ai l'obligation de me soumettre à tous les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié. Je ne mets pas de côté l'OFNAC a fait savoir Mansour Faye. Juste rappeler que le bureau exécutif de l'Union des magistrats du Sénégal fait face à la presse à 16 h Au menu, le différent qui oppose ses juges au ministre de la Justice suite à la convocation du président de l'UMS, Souleymane Teliko, devant le conseil de discipline de la magistrature. L'UMS n'exclut pas d'aller en grève. Un tour dans l'un des sites d'accueil euh, aménagés pour les sinistrés des inondations de Kermassar. Les conditions d'hébergement sont bonnes, mais l'ennui est devenu agaçant. Dans ce reportage, c'est ce qu'ils ont dit. Dans ce reportage de Nongoka, ils disent être pressés d'ailleurs de retourner chez eux. Reportage. Derrière l'une des 46 tentes dortoirs installées sur le site d'accueil des 130 familles sinistrées des inondations à Kermassar, une dame fait la lessive. Plus loin des parents qui tentent en vain de calmer des petits-enfants en pleurs. Au même moment, Mustapha Tambedou, lui, presse le pas et se dirige vers la sortie du site. Il doit se rendre dans un point de transfert d'argent pour effectuer un retrait. Nous sommes au nombre de 8. De ouais. Et vous occupez une tente Oui, on occupe une tente ici. Lui et sa famille sont pris en charge dans ce camp depuis deux semaines par la Croix-Rouge. ça va. Hein. On se débrouille avec les moyens d'abord, Et aussi, les gens, ils s'occupent bien de nous aussi. Hein. Vraiment, côté nourriture, ça va. Mustapha est satisfait de la qualité du service, mais le père de famille ne cache pas son angoisse. Pour lui, la vie dans un temps de sinistré est ennuyeuse. C'est juste parce que tout le monde veut rentrer. Quoi. Si l'État peut accélérer les choses pour que toute la famille puisse rentrer chez eux, mieux. Quoi. On n'est pas fatigué. Quoi. On mange, on boit, on dort, ça va, mais c'est un peu angoissant aussi d'être dans les bas chaque jour. Mustapha confirme avoir perçu sa part de l'aide de l'État destinée aux impactés des inondations, une enveloppe financière considérée comme du boom au cœur des sinistrés. On a bénéficié de 200 000 francs ça fait maintenant deux semaines. On va se débrouiller avec, hein. c'est pas encore fini. Parce... Non, c'est pas. <laughs> Selon le président de la Croix-Rouge départementale de Pékin, les sinistrés pourraient retourner à leur domicile dans une quinzaine de jours. Nonga Kakermassa, Radio Futur Média. C'est parce que Nongo, la prise en charge coûte très cher, 150 000 pour la restauration quotidiennement. C'est ce qu'a révélé la Croix-Rouge de Pékin et cela risque, comme vous l'avez dit, de conduire à la fermeture du camp dans deux ou trois semaines. Oh, son président Ibrahim Anne au micro de Nongoka. Mais il y a deux familles patentes. Voilà, c'est comment on les gère. Ici, ils ne sont pas nombreux hein, pour nous. C'est 130 familles, c'est facile à gérer. On les gère au quotidien, euh, au plan sanitaire, au plan de la restauration, etc. Voilà comment on les gère. La vie dans les camps, c'est toujours difficile. Hein. Maintenant, il y a des gens, il y a des philanthropes qui viennent les aider de temps en temps. Il y a deux, trois jours, la Courage turque est venue les aider. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui vient pour les aider. Demain ou après-demain, il y a des familles qui vont rejoindre leur concession. puisque le niveau de l'eau a on a curé, maintenant on va désinfecter, la croix va désinfecter et ils vont rejoindre leur concession. Au, bas mot, dans deux-trois semaines, le site doit normalement fermer les portes, fermer les portes. Ben, il faut des moyens, vous savez, il dépense 150 000 francs par jour en restauration, euh, il y a la collaboration de la mairie, il y a la Croix-Rouge. C'est pas si difficile que ça pour nous, on les gère, on les occupe. 32 nouvelles contaminations au Covid-19 ce vendredi, dont 23 cas communautaires en nouveau décès. Point du jour avec Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1213 tests réalisés, 32 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 5 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias et 23 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 3, Rufusque 3, Guédiawaï 2, Wokam 2, Popenguine 2, Almadi 1, Cité Douane 1, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Fatik 1, Kermassar 1, Liberté 4, 1, Malika 1, Pikine 1, Tcharoy 1 et 1. 156 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 1er octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour,

Et juste rappeler que le bilan de l'accident survenu hier soir sur la route de Niahar est passé de 1 à 2 morts. Le jeune homme qui accompagnait le conducteur de Jakarta, décédé sur le coup, a finalement succombé à ses blessures. Rappelons que la, moto Jakarta a heurté un camion peu avant 20 heures. Le FONGIP et l'IMSEC au chevet des femmes et artisans de la commune de Sandiara. 100 millions pour ces impactés du Covid-19. Une annonce du ministre des Mines et de la Géologie Sophie Gladima a aussi remis 26 millions de francs CFA à des groupements de femmes de Joal, Abdurrahman Diallo Pour relancer le secteur informel et les activités agricoles de la commune de Sangara, l'IMSEC et le FONGIP débloquent 100 millions de francs CFA. Doudouka, administrateur général du FONGIP. Accompagné aussi un partenaire financier, euh, qui avait déjà commencé à entamer, à traduire cette vision euh, euh, avant le FONGIP les années précédentes. Nous, on vient pour accompagner cette vision et cette ambition d'aller plus loin. Et comme l'a dit M. Euh, monsieur le maire, je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, on reviendra ici pour un financement beaucoup plus important, de l'ordre de 500 millions, pour accompagner toute cette émergence euh, de, cette économie locale. À Joal, c'est le ministre des Mines et de la Géologie qui a prêté de l'argent à 26 groupements féminins. Aïssatou Sophie Gladima compte participer à la relance des activités de ces femmes. Baba Karfaï, chef du cabinet du ministre des Mines et de la Géologie. On fait forme, après on finance. Et le financement ne s'arrête pas là. Pourquoi pas nous allons aider les femmes à faire le marketing, à faire euh, identifier le, problème du marché et même à écouler. Déjà nous avons, on ne se perd en, matière de crédit, Revolmi avec nous, qui va nous accompagner dans cette dynamique pour permettre aux femmes vraiment de réussir euh, l'opération. Ces femmes et artisans se réjouissent de ces financements. Ils promettent de faire bon usage de cet argent afin de pouvoir rembourser dans les meilleurs délais. RFM Bourg. Après une année de crise causée par la Covid-19, le regroupement des acteurs du secteur agro-industriel de Touba demande à l'État d'arrêter les exportations de graines d'arachide lors de la prochaine campagne. Le Raziat était en visite chez le Khalif général des Mourides, son secrétaire général Ousmane Djarate, interrogé par Maré Madiop. Nous sommes venus rencontrer le Khalif général des Mourites pour amener notre modeste contribution pour la réussite du Grand Magal de Touba. C'est aussi l'occasion pour nous de formuler des prières. Notre secteur rencontre des problèmes. Et les problèmes est dû à l'inactivité, la conséquence de l'exportation des graines d'arachide vers la Chine. Ce qui fait que nos industries étaient à l'arrêt au moment où les industries chinoises étaient en train de travailler. Mais cette année, nous, nous, nous sommes confiants. Car quand on entend le discours du président de la République, qui ne cesse de parler de transformation de produits agricoles et de consommation local. Dans une période marquée par une pandémie de Covid-19 qui a montré que chaque État doit se battre pour sa sécurité alimentaire, on a mobilisé 62 milliards pour la campagne agricole. nous avons une bonne pluviométrie. Comme l'a dit hier le président de la République, nous attendons cette année de bonnes récoltes. Nous sommes prêts à rejoindre les sites de règles pour centre, ce qui mettra fin au chômage des jeunes et son corollaire, l'immigration clandestine et l'exode rural. Mais la réussite des agropreneurs, c'est l'existence d'entreprises vivantes, formalisées, fortes et un personnel formé. Ce qui est possible si l'État nous aide à développer nos transformations de transformation semi industrielles qui sont en ce moment au nombre de 152 pouvant traiter plus de 1500 tonnes d'arachide par jour et créer de 3 000 à 15 000 emplois. Grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, le gagnant va recevoir une enveloppe de 20 millions de francs CFA. L'objectif de ce concours, c'est de booster l'écosystème du numérique en récompensant les jeunes acteurs, selon le ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Leïti Kenya a procédé au lancement ce matin de ce concours prévu le 26 novembre 2020. Il est au micro de Awambai. Le Grand Prix s'adresse aux jeunes tous qui ont, je pense, euh, au moins 5 ans dans l'environnement. Donc c'est un Grand Prix qui s'adresse aux jeunes pour booster leur créativité, pour booster leur capacité d'innovation, mais dans un objectif aujourd'hui d'accélérer la croissance. On est à l'ère du PAP 2 ajusté, accéléré, et ça coïncide avec euh, le lancement de ce Grand Prix. Je crois qu'il euh, faut saluer ce Grand Prix, remercier le chef de l'État et le féliciter pour cette initiative, d'ailleurs qu'il avait prise dans le cadre euh, du plan euh, elec son plan Liguel dans le cadre de cinq initiatives, trois programmes le prix, celui qui va remporter le prix du chef de l'État, le grand, le grand prix du chef de l'État, aura une enveloppe de 20 millions de francs La première édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique sera couplée au deuxième forum du numérique prévu le 26 et 27 novembre 2020 au CICAD où il fait 12 h et 18 minutes. L'actualité internationale. Bienvenue Anna. Merci beaucoup Binta En Guinée, Alpha Condé a promis des élections pacifiques devant des émissaires internationaux. Il s'agit des représentants de l'ONU, de l'Union africaine et des pays de l'Afrique de l'Ouest en mission à Conakry depuis jeudi dernier. Après l'audience avec le président Condé, la mission s'est entretenue avec la CENI pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et lors de leur rencontre avec le Front national pour la défense de la Constitution, l'un des leaders du Front a lui accusé la CDAO de des chefs d'État. Information Et en Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet appelle les Ivoiriens à un rassemblement demain. L'ancien ministre compte tenir un meeting au stade d'Anono pour demander le report de la présidentielle prévue le 31 octobre prochain. À Abidjan, la correspondance de Kobia Yabi. Charles Blégoudé, ex-ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo et président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, à COGEP, s'est adressé ce vendredi 2 octobre au peuple ivoirien depuis la Haye. Rejoignez-moi pour qu'ensemble on demande le report. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting le 3 octobre au Charles Blégoudé estime qu'il faut reporter le scrutin électoral du 31 octobre 2020 pour organiser des assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus. Pour rappel, l'ex-leader de la jeunesse patriotique est condamné par contumace à une peine de prison de 20 ans par la justice. Nos excuses. Donc, c'était euh, Gobia Yabi, notre correspondante à Abidjan. On parle de trafic de drogue en Guinée-Bissau. Le président euh, de la Saintif alerte. Il demande aux Bissau guinéens euh, de faire face au blanchiment d'argent. Le fléau contribue pardon, à renforcer l'instabilité dans le pays, selon Justine Noussa. Les précisions de Noah Mankali à Bissau. L'exhortation a été exprimée par le président de la CENTIF, Justine Sall, lors d'une réunion de deux jours qui a réuni différents secteurs d'activité publique et privée du pays pour l'évaluation mutuelle à laquelle la Guinée-Bissau sera soumise l'année prochaine par le groupe d'action intergouvernementale contre le blanchissement d'argent en Afrique de l'Ouest, JABA. Jusinusa a rappelé que les blanchisseurs profitent des faiblesses du pays pour pouvoir transmettre leurs drogues. Ce responsable a souligné qu'il est difficile de faire un vrai bilan de l'état du blanchissement d'argent en Guinée-Bissau, car la Guinée-Bissau est un pays fragile considéré comme un pays où la corruption est à son apogée. Le secrétaire général au budget et aux affaires fiscales José Carlos Varela Casimiro a averti que pour obtenir les meilleurs résultats, la Guinée-Bissau doit nécessairement produire un rapport fiable sur l'évaluation nationale du risque de blanchissement d'argent et du financement du terrorisme dont le processus est dans la phase finale. Nous Nouamène Bissau, et aux États-Unis, Anna, Donald Trump a annoncé avoir été déclaré positif au Covid-19. La First Lady euh, Melania Trump a également été euh, testée euh, positif. Dans un tweet, le président Trump a écrit, je cite, Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ensemble, a donc dit Donald Trump, de l'optimisme malgré son âge avancé, 74 ans, et son surpoids. Le président président des États-Unis a sûrement été contaminé par l'une de ses plus proches collaboratrices. Et cette annonce entraîne plusieurs questions, Binta, notamment euh, sur la suite de la campagne pour l'élection présidentielle euh, du 3 novembre prochain. Le meeting de Floride, on le sait, prévu ce vendredi, a déjà été euh, annulé. Je le rappelle que le Covid-19 a fait plus de 200 000 morts au pays de l'oncle Sam Binta. Et on espère que Donald Trump va être son propre cobaye. On se rappelle qu'il avait proposé des injections au Javel et qu'il avait euh, soulevé un tollé général. Merci beaucoup, Anna Rocha. les sports à 12h22 minutes. Euh, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Binta bonjour à tous. De nouvelles têtes enregistrées dans la tanière en vue des prochaines échéances. Alun Cissé, sélectionneur du Sénégal, s'explique dans cette édition, tout comme Vaïd euh, c'est l'entraîneur euh, <laughs> du Maroc. Oui, allez-y, c'est sur donc son prochain adversaire en amical. Oui, il s'agit du Maroc, mais nous allons d'abord nous intéresser d'abord à Aliou Sissé qui a rendu public hier la liste des jours retenus en vue des prochaines échéances. Des, de nouvelles têtes, il y en a eu, euh, notamment Pape Cher Diop, Joseph euh, Romalik euh, Lopi, Boulaïdia ou encore le portier Bingoro Kamara qui évolue au Racing Club de Strasbourg. Le sélectionneur national qui n'a pas tenu une conférence de presse hier a expliqué ses choix sur la chaîne de la Fédération sénégalaise de football. Nous écoutons à Tout à l'heure, je parlais des difficultés que nos joueurs ont euh, dans ce mercato-là. C'est le cas de Pape Aliundiaï, c'est le cas de, de Pape Soiré, Diao Baldé. Donc, euh, je pense que c'était le moment pour nous de voir d'autres joueurs. C'est le cas de, Joseph Lopi. C'est un garçon qu'on suit depuis, depuis un bon bout de temps. C'est un garçon que le football sénégalais connaît très bien. Il a, il a tardé à, retrouver son meilleur niveau du fait qu'il a été souvent blessé. Mais depuis le début de la saison, à Sochaux, il, il est très intéressant. C'est un garçon qui est très intéressant en tant que sentinelle. Il est capable de jouer aussi un peu plus haut dans le, dans le, jeu. Je pense que son profil... Euh, euh, c'est est très intéressant pour nous. Pape Diop, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de, revoir encore ce milieu de terrain, apporter un peu plus de, créativité dans ce milieu-là. C'est un garçon qui est, très créatif, c'est un garçon qui a quelque chose de très intéressant et comme il a, il a souhaité lui aussi venir intégrer le l'équipe nationale du Sénégal, je pense que le moment était venu pour lui. Oussé c'est par rapport à ses, performances aussi avec l'Olympiakos. L'année dernière, il a fait une très très très bonne saison. Et je crois que c'est normal aussi qu'il soit là. Clément Diop, c'est un, garçon qui était là, qu'on avait convoqué aujourd'hui, il a beaucoup de, temps de jeu à l'impact de Montréal. On l'a fait revenir. Bingo Camara, c'est un garçon qu'on depuis deux ans, trois ans, aujourd'hui avec Strasbourg. Il a retrouvé du temps de jeu, donc il devient sélectionnable. Aliou c'est sur le suite de la, FRS, de la, FSF, la Fédération sénégalaise de football. Parmi les absences les plus remarquées, celle d'Alfred Gomis qui a rejoint la semaine dernière le stade Rennais. Selon des informations recueillies par la RFM, le portier des Lions s'est blessé lors de son dernier match avec Dijon euh, dimanche dernier contre Brest. Alfred Gomis serait dans l'attente des résultats de ses analyses. Aliou Sissé a donc voulu être prudent et le laisser à la disposition du stade Rennais, son nouveau club. Le Maroc, prochain adversaire du Sénégal, a aussi rendu public sa liste des joueurs retenus dans la perspective de cette rencontre contre les Lions de la Teranga. Dans la liste euh, du sélectionneur Vaïd Ali Lodzik, il y a bien eu des surprises. Khadim Baye. Ils sont 26 joueurs sur la liste de Halidoudic, quelques absents, des retours et de nouveaux visages, des choix basés sur la performance et l'envie de porter le maillot national. Je regardais pendant le confinement, il y a pas mal de choses. Toutes les choses qu'on a fait, c'est regarder beaucoup, beaucoup de matchs je fais l'analyse. Après, avec mon staff euh, technique, chacun a donné son, avis et on, a récupéré toute l'opinion, réflexion. Parmi les surprises, sept lions sont appelés pour la première fois, dont Sofiane Chakla du Villarreal, l'hispano-marocain Mounir Al-Hadadi, bénéficiaire du changement de la règle FIFA concernant la nationalité sportive, un clin d'œil à la bande à Sadio Bassam Nadjar, journaliste sportif à en TV. Euh, veut euh, donner un nouveau souffle, un nouveau une nouvelle vision aussi pour cette équipe du Maroc, un nouveau souffle offensif. Il, a dit que le face-à-face -face, aux Sénégalais sera une bonne motivation pour ses joueurs, euh, surtout que l'équipe sénégalaise est l'une des meilleures équipes africaines. À côté des surprises, beaucoup d'absents et l'absent le plus présent, Abdelzak Hamdallah, que tout le monde connaît ses problèmes avec euh, l'équipe nationale euh, lors de, lors de la Coupe d'Afrique de 2019 et comment il a claqué la porte euh, contre Renard et il est parti. L'avancante du club saoudien Al Nasr a préféré décliner l'offre de revenir dans la tanière, une offre offerte par l'actuel entraîneur selon qui je ne veux pas supplier quelqu'un, même s'il s'appelle Messi. Khadim Bay Casablanca, Radio Khadim Baye, merci. Nous nous rendons en France où la Ligue 1 va entamer dès ce soir sa sixième journée à partir de 19h GMT. Le Paris Saint-Germain va en découdre avec le SCO d'Angers en Bundesliga. C'est la troisième journée. Il s'agit du championnat allemand. 18h30 ce soir, Union de Berlin contre la formation de Mayence. En Italie, c'est aussi la troisième journée. 18h45, la Fiorentina va en découdre avec la Sampdoria de Genbita. Préparatif des éliminatoires de l'Afro-Basket Féminin 2021, les Lyons ont entamé un stage externe. Oui, et cela s'est déroulé au stadium Marus et temple du basketball sénégalais. Les 17 joueuses locales convoquées ont pris part à la première séance. Parmi elles, Sabel Diata de l'AS Ville de Dakar et des Kumbandao de l'AS Fonctionnaire. Absente de la tanière depuis 2015, Sabel Diata signe son comeback. L'ailière forte de l'AIC Ville de Dakar se réjouit de retrouver l'équipe nationale, mais également le parquet après des mois d'arrêt. Bah, c'est sûr, euh, c'est très dur parce qu'on on est resté longtemps sans euh, s'entraîner. Mais euh, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Bah, comme on a l'habitude de, courir, alors ça bah, ça va pas être aussi difficile qu'on le pense. ça fait plaisir de reprendre les entraînements avec l'équipe nationale parce que franchement, c'est un honneur de représenter toujours le Sénégal en renfort après le départ de Mamniomo Didikan de l'ISEC au Portugal, Ndei de l'ASFO s'est dit contente de sa convocation, surtout le fait de côtoyer les anciennes. C'est un grand plaisir pour moi. C'est un grand plaisir pour moi, surtout être à côté des joueuses comme Aya Traoré et Sabal Jata. Je peux dire que c'est un rêve qui devient réalité. On travaille toujours pour avoir la chance de porter le maillot national. C'est toujours un honneur parce qu'on va représenter toute une nation parce qu'on représente toute une nation. Toutes les 17 joueuses convoquées évoluent dans le championnat local. Une belle initiative selon nos interlocutrices. On est très content de cela parce que ça va permettre aux joueuses locales euh, d'avoir euh, la même chance que les expatriés et euh, ça va plus les motiver, je pense. dans une équipe, on a besoin de l'expérience et de la jeunesse aussi. Je pense que je pense que c'est la deuxième fois que le sélectionneur fait appel à des joueuses locales seulement. C'est une source de motivation. Il faut dire aussi ainsi que nous, les joueuses locales, nous pouvons hisser haut le drapeau national. La deuxième séance des Lyon est prévue ce soir, toujours au Stadium Marius Niaï, pour le compte de ce stage externe de 17 jours. Merci à vous, Sodekiam. C'est fini, Binta, cette page des sports. Merci également à vous, cher Tidjan Diagne. la presse du jour. Mohamed Mouba, bonjour. Bonjour. La tête de Maître Malik Sal a pris L'UMS signe la mise. Après la traduction de son président devant le Conseil supérieur de la magistrature, rien ne va plus entre l'Union des magistrats du Sénégal et le ministre de la Justice Garde des Sceaux. Selon le journal Vox Populi, les juges ont décidé le boycott de toutes les audiences le jour de la comparution de Suleiman Teliko devant le CMS. L'UMS exige l'arrêt immédiat de la procédure disciplinaire engagée contre son président et le départ sans délai de Maître Malik Sall. Inscrit dans une logique de guerre sans merci, avec la chancellerie, le comité invite encore le bureau à cesser dès à présent toute collaboration avec le ministre de la Justice et convoque dans un bref délai une assemblée générale extraordinaire, note pour sa part le journal Le Quotidien. Saisine des missions diplomatiques accréditées au Sénégal et l'Union internationale des magistrats complète de son côté le journal LAS. Combat Ousmane Sonko Mansour le ministre en conférence de presse ce matin, outré par ce qu'il appelle les insultes de ce gosse, Mansour Faye promet d'apporter la preuve par quatre que le leader de PASTEF l'a bel et bien supplié de lui faciliter une audience avec le président. Et ça va barder, note le confrère, le journal Wafadri, qui revient sur le refus de Mansour Faye de répondre à une éventuelle convocation de l'OFNAC sur la gestion de l'aide alimentaire. Note que cela en rappelle bien une autre défiance, celle de Karim Wad. Passé présent, le journal Le Quotidien rafraîchit la mémoire à ses lecteurs et note que Wad fils avait à l'époque refusé de déférer à la convocation de l'Assemblée nationale. C'était sur la gestion de l'ANOCI, l'organisation de la conférence islamique. Nous reparlons de la situation pathétique des militaires à la retraite expulsés de leur logement de fonction à terme sud. L'arme sans fin titre le journal Tribune. Le confrère note que des familles sont désemparées là-bas. Elles passent la nuit à la belle étoile. Dans sa livraison du jour, le journal Observateur parle d'un rayon euh, secret tenu entre l'armée et les services techniques de l'État. Pour le moment, la démolition des maisons est écarté l'arbitrage du président attendu. Attendu aussi le Gamou et les IAR, mais cette année, la famille omarienne annule tout comme le constate Walfadri. Le Sénégal, terre d'impunité pour les forces de l'ordre qui, pour rendre justice aux victimes des bavures policières, pour le moment, personne constate le journal Le Quotidien, le confrère qui a consacré un dossier à ce sujet parle d'impunité totale pour les forces de police qui s'en prennent aux citoyens. La police et la gendarmerie au-dessus des lois. Le confrère note que l'agression de la caméra woman de Dakar Actu est le dernier acte d'une série noire qui se poursuit au Sénégal. À chaque fois, la justice accorde l'impunité aux bourreaux et passe par pertes et profits les droits des victimes et de leurs proches. Procédé Gassama d'Amnesty International, les bavures des forces de police au Sénégal n'ont fait qu'empirer sous le règne du président Sall. La radio avertit, nous risquons d'arriver à des règlements de comptes extrajudiciaires. Le président Macky Sall a dialogué hier avec les citoyens dialogue direct personnalisé avec les internautes. Le journal Le Soleil, qui en fait son événement du jour, note que Macky Sall a répondu à plus de 4000 internautes. Objectif montrer un président proche du peuple et qui maîtrise les enjeux du numérique, le digital notamment. Puis sport pour boucler Ligue des Champions, choc du tirage. Le journaliste quotidien pointe de gros duels. Barça Juve, Atlético Bayern, PSG, Manchester United. Le journal Record parle de choc en pagaille, Retrouvaille Messi Ronaldo aussi dans lambe après au moins deux brouilles Gris-Bordeaux et Gaston Beng vers la réconciliation. Souhaitons que tout se règle, a dit Gaston Meng. Abdulhad affirme en tout cas que Gris-Bala sera sauvé. Bonne à tous. C'est la fin de ce grand journal. Le rappel des titres agression mortelle de l'étudiant Joël Célestin Philippe à l'université euh, Charanta Diop de Dakar et les aveux du suspect numéro 1. Il révèle avoir participé au meurtre de l'étudiant selon la police. L'enquête se poursuit. Son acolyte est encore dans la nature. Les soutiens à l'endroit de Suleiman Teliko se multiplient. Six organisations de la société civile appellent le garde des Sceaux à renoncer à toute tentative de bâillonnement des magistrats et invitent par ailleurs des citoyens épris de justice à se mobiliser contre toute velléité de musellement de la justice. Mansour Faye enfonce Ousmane Sonko. Le ministre de l'Équité sociale a réagi aux interpellations du leader du PASTEF, le lieu de l'audience et le témoin de la rencontre révélé en plus d'un élément sonore confirmant la tenue de son face-à-face avec Sonko. Par ailleurs, Mansour Faye se réajuste suite à sa sortie jugée malheureuse concernant l'OFNAC. Le ministre de l'Équité sociale se dit prêt à se soumettre au corps de contrôle de l'État. À la technique de ce grand journal, il y avait Abdoulaye Merci à Mohamed Ali Mouba à la réalisation. 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye, direction Touba. Tout de suite, Georges Dété Diop et son équipe pour le journal du Grand Magal. 2020 RFM ne bépp taalibe fas yéene wuy ji ci wooteeb ku tedd ki Cheikhul Khadim ñu fas yéene santale ko sunu boroom su màggal gi desee fukki fan ak juróom lañu ci ànd ak yéen mbokk yi ak émission bu mag Ila Touba ak Makumba Bay Ila Touba pencum bu ñuy waxtaane Cheikhul Khadim ak i jaar-jaaram am njàngaleem altine ba àjjuma lay doon ci RFM 11h30 ba midi ci ngoon gi soxna Ami Ndaw ak émission Café Touba juróomi waxtu ba juróom-benni waxtu ci ngoon émission Café Touba animation la ak ay xasaayid di bégalante su ngeen wootee 628 14 14 dina a ay rubrique di tak ci biir xibaar yi muy français di wolof yëpp ñu jaglel màggaluk Tuubaa Mbàkke ba tey ci programme Magal 2020 ak Radio Futur Média émission bi Sénégal RFM matin ak Babacar Fall di ngeen koy am en direct ci Touba Mbacké dina ci bokkit ci programme màggal 2020 ak seen rajo RFM ay débat yu mag ñetti fan laata màggal gi ci wàllu transport wàllu koom-koom waaye it wàllu wér yaram ak jamonoy mbas miinu ne le journal di màggal it di ngeen ko am na ngeen ko daa amee at mu ne ak mbokki journaliste yu rédaction bu RFM ci ndaje xibaar yi en direct de Touba màggal 2020 ak RFM dara du leen ci ump incha allah RFM rajo Futur Média di leen nag fàttali digley kër docteur ngir moytu gi ñeel mbas mi saa su ne RFM diit ñaan ku tedd ki sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke mu yàgg fi lool ci ànd ak wér maskani tubaaba misras mi abijaayi xayri manabaat wajal ilaahi maskani tubaaba